Chers auditeurs et auditrices du studio Kalangu, bonjour et bienvenue dans ce dernier numéro de la semaine de notre émission Le Niger sur Kalangu. Nous sommes vendredi 16 février 2024 à la présentation. Je suis Salamatou Kadri et avec moi Abiba Ahmed. Bonjour Abiba. Bonjour Salamatou. Bonjour à ceux qui assurent à la régie, à la technique, c'est Lawali Issa, Rahilatou Soumana et Adam Dawaki à l'édition. Salamatu, quel est le programme d'aujourd'hui Habiba, aujourd'hui nous avons prévu une bonne dose de musique nigérienne pour le plaisir de tous nos auditeurs. Le Niger sur Kalangou, c'est aussi de l'information. Il y aura le flash et la revue de presse, et la revue de presse hebdomadaire, les lotis, la culture linguistique et le sport. C'est pour la fin de l'émission. Mais avant tout cela, nous vous proposons un entretien avec une écrivain en langue Hausa. Elle s'appelle Nana Esha Hamisu, présidente de l'association des écrivains Hausa des Maradi. Chers auditeurs, c'est parti pour une heure d'antenne. Auditeurs de Studio Kalangu, tout de suite, voici les flèches d'information présentées par Rafika Taher. Bonjour Rafika. Bonjour Habiba. Bonjour Salamatou. Bonjour Afifi. Alors pour ce matin, la Banque mondiale est déterminée à lever tous les obstacles à une reprise totale de ses activités avec le Niger. Cette annonce a été faite hier jeudi par la directrice des opérations de la Banque mondiale pour le Niger, Madame Clara De Souza, au terme d'une réunion avec une délégation du gouvernement nigérien conduite par le Premier ministre Mohamed Laminzen. Le Premier ministre nigérien demande à la Banque mondiale de mettre un accent particulier particulier sur la restructuration du portefeuille et les nouveaux projets qui sont en cours. À l'international, le Conseil constitutionnel sénégalais a annulé hier soir le report du scrutin du 24 février qui avait été décrété par le président Macky Sall à la veille de l'ouverture officielle de la campagne. Dans leur décision rendue dans la soirée, les sages ont annulé le décret présidentiel du 3 février portant abrogation du corps électoral pour l'élection du 24 février. Ils ont également jugé la loi votée par le parti au pouvoir et ses alliés qui repoussait le scrutin au 15 décembre 2024, contraire à la Constitution. En football, la commission centrale des compétitions de la Fédération nigérienne de football a procédé jeudi à Niamey au tirage au sort du tour préliminaire de la Coupe nationale de football édition 2023-2024. Les rencontres débuteront le 23 février 2024. Voilà pour le flash de ce matin. Merci, beaucoup Rafika, chers auditeurs. Dans quelques instants, nous suivrons l'entretien de Nana Aïcha Hamissou avec notre correspondant Mohamed Maman. Elle est la présidente de l'Association des écrivains en Hausa de Maradi. Avec elle, nous allons parler de vision, d'engagement pour la langue Hausa et aussi des perspectives. Mais avant ça, partons en musique avec Armée de Fé Maman Barka. mai daɗi, dadi mai wahala arme da dadi arme shi dali Allah ka bani mace ta kirki Allah ka bani diya da da'a mai ladabi mace mai biyayya Allah ka bani diya da da'a mai ladabi mace mai biyayya Allah ka bani mace ta kirki. Arme na akwai na dole, dole ka zo kuma dole ka ɗauka arme. Arme akwai irin na dubara, ka ba da gero a baka tsakuwa. kanka kar a gaba ka ce na shiga uku arme daɗi arme ji dali arme daɗi arme wahala arme da daɗi arme ji dali Allah ka bani mace ta kirki interpréter des morceaux traditionnels mais aussi des chansons personnelles évoquant des thèmes contemporains et engagés. Avec ces titres tels que Le Niger, mon beau pays, le problème de loyer, la liberté de presse ou le mariage. Justement, chers auditeurs, nous avons choisi pour vous cette chanson phare de l'artiste armée à qui veut dire mariage. Dans cette chanson originale, l'artiste présente les deux facettes du mariage, l'amour sincère et l'amour matérialiste. Il implorait Dieu de lui donner une femme juste et honnête. Il définit aussi le mariage comme une responsabilité au moment où certains mariages sont fondés sur la trahison et la tricherie. daɗi arme wahala arme da daɗi arme shi dali Allah ka bani mace ta kirki arme na san akwai na dole man da ba hujja ba dalili arme akwai irin na dubara man da ba hujja ba dalili da akwai karhi da yaji kalman da ba ba dalili arme na akwai nagado, gado a ɗauki uwa a baiwa dangi arme akwai irin na shaidani arman da ba ba dalili இருக்கி après cette pause musicale, chers auditeurs, suivez à présent la première partie de notre entretien du jour. Nana Esha Hamissou, présidente de l'association des écrivains Hausa des Maradi, et l'invité de Mohamed Maman. Depuis quelques années, cette association s'efforce de faire connaître la culture et la tradition des Hausa du Niger. Et c'est à travers l'écriture du récit et livre. Avec elle, nous allons parler des visions, d'engagement pour la langue Hausa et aussi des perspectives. Elle est au micro de Mohamed Maman. ta kungiyar dai gaskiya kamar da kace ba ta magaɗi ce kawai ba ta 'yan Nijar ce gaba ɗaya yanzu ne da buɗe ta za a kai shekara uku ni da na ce na ga ya dace a ce marubutan Nijar mahaɗa inuwa guda muna taimakon juna Kom saboda muna cikin wasu kungiyoyi wanda yawancin su duka ma 'yan Nijeriya ne. Sai na buɗe gurfi na WhatsApp na saki laye na buɗa shi gurfi gurfi Nudin marubuta da ta san ita 'yan Nijar ce ta shiga cikin wanga gurfi ɗin. To haka dai alhamdulillah mutane suka ta shigowa daga baya muka samu da tsari da shugabanci har ma ya kawo lokacin da muka samu agreement in mu rajista kenan a ƙasa yanzu aka dose mu suna niyami muna jiran agreement ya hito. To manufan mu dai ita ce a ce mu ma mun zama wasu wanda za a ce sunan ƙungiyarmu ya zagaye gaba ɗaya ƙasar Nijar har ma wata ƙasashe a ji labarin ƙungiyarmu to shi dai ne buga mu kuma manufarmu. Kuna so a ƙarfafa harshen Hausa kuma a yi rubutun shi ko? E eh, tun da marubutan Hausa ne ma don buga marubutan Hausa shi ne a inganta harshen shi al'adun shi kuma da adabin shi kuma a ce harshen Hausa ya zama wani babban jigo a ƙasarmu. kamar yanzu a ce Nijar tana ƙasa Hausa a ce kuma kaso mafi yawa na mutanen Nijar a ce Hausawa ne amma yawanci sai dai mutum ya furta a bakin shi ni bahaushe ne alhali ma wani bai ma sai da zai rubuta bahaushen ba kuma suna alhali yana bahaushe uwa bahaushe uwa bahaushe ah, wannan kungiyar ta ya kunshi mutum nawa to kungiyar mu dai yanzu zan ta mun kai mu talata cikin ta kuma duka ku mata ne ko a ah, akwai maza zan so mu sani a wannan lokacin yaya kungiyar take ta bunƙasa kuna ayyuka da dama? To gaskiya daga bude ta zuwa yanzu alhamdulillah saboda muna taimakon junan idan wani ya ga abin da zai ƙaru dan uwan shi yana tuwa cikin gurup idan wani na da tambaya yana tuwa ya tambaya idan wani ya tuwa rubutun shi na cewa a mashi karin bayani sannan kuma a cikin kungiyar ne aka samu yan kungiyar mutum biyu waɗanda suka fitar da sunan Niger tunda ana gasa wajen shekara biyar ta bbc babu wanda ya santa amma alhamdulillah a shekarar 2021 a cikin kungiyar ta kasance ta farko 'yan nijar ta ci gasa bbc kuma haka hawalwa a zo 2022 kuma a cikin kungiyar ce ta kara zama gwarzuwar bbc a shekarar 2022 bayan haka nan kuma 'yan kungiyar sun taɓa shiga wata gasa a kungiyance suka zo ta hudu suka ƙara shiga wata gasa cikin ƙungiyoyi 34 duka ƙungiyar ta kaɗai ce ta Nijar muka zo na uku aka kara mamu taron ma Kano aka yi shi aka ba mu turofe aka ba mu attestation sannan aka ba mu kyaututtuka na kuɗi da wasu littattafai har ilawa cikin yan kungiya akwai yan kungiyar ita kaɗai ta kasance cikin marubuta sha biyar da aka kara masu a birnin Katsina sannan kuma hayewa akwai yan kungiyar da ta kasance cikin marubuta sha biyar da aka kara ma a wata gasa da ake yi Kaduna ta Gusau Institutes to ka gani wannan babban alfahari ne a ce 'yan karamar kungiya da duka bata wata shekara uku ba da zuwa hudu da aka buɗe ta ta inke shirin wannan marubutan hawa yau na mamance waga shekara da ta kasance gasar bbc akwai 'yan cikin ƙungiyar da ta kasance cikin marubuta sha biyar cikin dari biyar da suka shiga gasar bbc tana cikin marubuta sha biyar da za a ba su attestation kuma a karanta labaransu a cikin shirye-shiryen bbc to kaga wannan babban alfahari ne kuma da dama sun gyara rubutunsu saboda idan za su rubutu ma ba ma ka cewa 'yan nijar ne yadda suka gyara rubutun suka gyara hausar su alhamdulillah kun ta yi eh, kano kwanakin ga eh, yaya abun ya kasance can eh mun ta yi kano ranar sha hudu ga watan disamba wajen taron baje kolin littattafan hausa da aka gabatar a ado bayero mall taron da muka ta ko kuma in ce bikin da aka gayyace mu mun tafi ne a matsayin katin gayyata da aka tura mu mai yi representan Niger wajen wannan taron. tunda ba mu kaɗai muka zo da wasu ƙasashe ba akwai da dama da suka zo da wasu ƙasashe muka bayyana musu yadda adama hausa yake a ƙasar Nijar. Ga wannan taron ba kun samu kyaututtuka ko yaya? Mun samu tagofi. Chers auditeurs, avant d'entamer notre deuxième partie de l'entretien, place à la revue de la presse avec Nafisa Adamou qui est déjà avec nous. Bonjour Nafisa. Bonjour Salamatou. Bonjour Habiba. Bonjour Nafisa. Nafisa, l'actualité, c'est la saisie d'or en Éthiopie, une diversion pour casser la marche du pays vers l'affirmation de sa souveraineté, a déclaré le chef de l'État sur les ondes de la télévision nationale. En effet, dans ses interviews accordées le 11 février dernier à la télévision nationale, le chef de l'État, le général de brigade Abdrahman Chani, a apporté des éclaircissements sur la question de cet or saisi en Éthiopie. Dans cette histoire qui a suscité beaucoup de réactions au sein de l'opinion nationale, le président Abdrahman Chani a noté qu'il y a des gens qui ont été modestes, qui ont apporté qu'il s'agit plus d'une tonne et demie, mais d'autres ont dit 23 tonnes d'or qui ont été saisies en Éthiopie et que c'est le CNSP qui aurait remis toutes ces quantités aux Russes. Nous, ne devons, réfléchir avant de donner écho à certains propos, a-t-il ajouté. Au chef de l'État de rappeler que jusqu'au 26 juillet 2023, le Niger exportait l'or de façon anarchique. Et relativement au remplacement des personnels qui exercent au niveau des infrastructures aéroportières, le chef de l'État, Chani Abdrahman, rassure qu'il s'agit d'un remplacement normal et selon lui, cela n'a rien à voir avec cette histoire de l'or en Éthiopie. Nafisa des dizaines de milliers de réfugiés nigériens affluent au Niger, nous informe le journal La Nation. Depuis quelques mois, les relations diplomatiques entre le Niger et le Nigeria ont du plomb dans l'aile. En dépit de ce problème diplomatique, des milliers de réfugiés ont franchi la frontière nigérienne cette semaine pour se mettre à, l'abri des attaques meurtrières de bandits armés. Cependant, l'arrivée massive de ces réfugiés nigériens au Niger vient rappeler aux uns et aux autres que le peuple nigérien et nigérien sont inséparables. Le Nigeria, qui assure la présidence de la CEDEAO, a depuis le coup d'État du 26 juillet au Niger placé le pays sous embargo inédit. Ainsi, en continuant d'accueillir le peuple nigérien, le Niger vient de prouver au peuple frère du Nigeria que c'est dans le moment difficile que l'on reconnaît ses vrais amis, conclut la nation. L'actualité sportive de cette semaine est marquée par la fin de la Cannes 2020. Les éléphants de la Côte d'Ivoire remportent leur canne et s'offrent une troisième étoile sur le toit du football africain. Le journal euh, titre le journal en ligne Actu Niger. Et oui, la 34e édition du de la Coupe d'Afrique des Nations a pris fin ce dimanche 11 février au stade Alassane Ouattara à Abidjan. Les Ivoiriens qui étaient presque au bord de l'élimination dès la phase des poules avant d'être repêchés ont trouvé l'énergie nécessaire pour se hisser jusqu'au dernier tour de la compétition souligne Actu Niger. Ainsi, en finale, les éléphants d'Afrique ont battu les Super Eagles du Nigeria sur le score de 2 buts à 1. Avec ce nouveau sacre qui vient après ceux de 1992 et 2015, la Côte d'Ivoire s'offre à domicile sa troisième étoile de l'histoire du plus grand événement sportif du continent. Réussissant au passage le pari d'organiser l'une des plus belles compétitions de l'histoire de la Cannes et de délivrer une véritable leçon pratique de motivation et de patriotisme. Ainsi, sur le podium cette année, on retrouve la Côte d'Ivoire, le Nigeria deuxième et l'Afrique du Sud pour la troisième place. Et c'est tout pour la revue de presse de cette semaine. Je vous retrouve à 17h pour le journal en français. Bonne suite. Merci beaucoup Nafissa pour toutes ces informations. Chers auditeurs, à présent, la suite de l'entretien avec Nana Aisha Hamusou, écrivaine en Hausa, elle recommande aux jeunes d'aller à la recherche du savoir de leur histoire. Elle est au micro de Mohamed Maman. mini ne yanzu kira da zuku ma matasa wanda suke sun su koya harshen da rubutun hausa kira na farko ga shi ne idan za su abu da farko su sa ya yaƙini za su iya saboda duk abin da mutum zai yi idan har bai sa ya nan ba zai iya da wuya ya iya shi sannan kuma su ji tsoron Allah su sani duk abin da suka rubuta yana nan rubuce ko bayan ransu kuma ranar gobe kiyama sai an tambaye su me suka rubuta sannan su nemi ilimi wajen wasu waɗanda suka fi su iyawa su nemi sani wajen waɗanda suka fi su iya idan suka rubuta abu su nema su ce wane ya abu kaza yake da Allah a nuna min sannan kuma su samu littattafai na ƙa'idoshin rubutu na nahawan hausa na karin magana kuma su karanta littattafan masana na da saboda su sun fi mu iya rubutu yanzu duk da rubutu yanzu ya kwace ma matasa amma dai rubutun su ya fi namu inganci saboda su sun fi mu bincike duk da ma yanzu ana kokarin bincike amma na daɗin nan sun fi mu bincike ba su dinga karatu saboda idan mutum na karatu koyan shi tana ƙara tana ƙara hazaƙa tana ƙara fasaha ya kyautata alaƙa shi da mutane idan aka mishi gyara ya ɗauki gyara bayan ɗauki gyara ya ce a faɗa mishi wannan ƙa'ida mece ce har da ya har da abubuwan kuma kai ya ce lokaci guda ne wai zai iya abu a'a dole dole zai ɗan lokaci eh mana kamar ya danganta dai daga yadda yanayin fahimtar mutum kuma da yanayin yadda mutum ya ɗauki abin wani yana saurin fahimta wani da wuya ka yi mishi gyara biyu kana mishi gyara guda zai ɗauka to yi wannan mutane sai ka gani ko shekara guda ba su sun kyautata rubutun su sun gyara shi yaya matasan yanzu kun gani suna son su koyi rubutun hausa sosai ga gaskiya da yawa yanzu matasan Nijar saboda yanzu bayan kungiyar mu ma akwai marubuta da yawa 'yan Nijar har ma ina son ran sai na magana ina tunanin duk zan yi musu yin kungiyar mu saboda ban tunanin wasu sun santa tunda gaskiya an jima da aka buɗe ta duk da lokacin da aka buɗe ta mutane da dama sun shiga wasu cewa suke ta hiyar ba ta yiwuwa ne shi yasa duk suka yi kite gani suke ba za mu kai ga ba ba za mu iya ba to alhamdulillah matasa da dama sun karɓi rubutu da yanzu akwai da waɗanda suke burin su zama marubuta wasu ma da dama sun mini magana wasu sun ma amira magana wasu sun ma wasu magana da an suna cikin gurfi ɗin marubuta inda ake ƙaruwa gaskiya abin yana karɓuwa sosai. to yaya kuke yi waɗanda suka shigo waɗanda ba su iya rubutu ba yaya kuke koya musu su iya rubutun hausa ai kamar da na ce maka muna taimakon juna a cikin gwamfudin in dai har mutum ya zo ya ce min wance abu kaza ya yanke ana kokarin a ce mishi wannan abu ba haka ake yin shi ba ga da ake yin shi saboda ka'ida kaza ta ce haka ta ce haka ta ce haka ba a haɗa wanga da wanga ko kuma ba a raba wanga da wanga saboda ka'ida kaza wasu ma sai ka gani sun fi shekara goma suna rubutu wasu sun kai biyar amma idan ka kalli rubutun sai ka ce ba ma ya kama da na marubuci shi kuma wani ko shekara shekara guda bai yi idan ka kalli rubutun sai ka yi tunanin ma ai wannan hausa ya karanta to duka ba komai bane ba jajircewa ce kawai wani irin ka'idodi ne ya kamata a fi in ana so a rubuta hausa idan ana son a yi rubutu abu mafi mahimmanci da mutum zai iya wa ka'idojin rubutu da baran rubutu su kuma ka'idojin rubutu kama da faransai kama a ce autograph ne shi kuma dabarun rubutu kamar a ce irin redaction haka. Rubutun da kuke eh, bisa kan da bisa kan mene kuke rubutu ai ga san marubuci shi hantsi ne leƙa gidan kowa duk abin da muka san zai faɗakar da al'umma idan aka yi rubutu sama kan shi to muna ƙoƙarin mai rubutu saman shi za a iya cewa dai har yanzu dai a nishiyar akwai karamcin iya rubutun hausa dole ne in muna so mu kai kamar su najeriya mu maida a hankali wajen rubutun hausa gaskiya sosai ma kai ni akwai wani lokaci da na ce ai ni Hausa ce sai suka yi min dariya ban san ba a ce Hausa ba a ta hausa sai dai a ce "Ba hausa ai gashi nan kin ma faɗi ke da kanki ba Hausa ce kamar suna nufin ba hausa sai na ce nigeria ne 'yan Nigeria eh wanda na ni ba Hausa ce hali ba ashe ban san ba a ce haka nan ba a lokacin sai da a ce ba Haushiya ko kuma namiji a ce ba Haushi to kawai dai mu ne matsalar mu nan Niger gaskiya ita ce ba mu iya ƙa'idojin rubutu ba ban sani ba ko abin ya ta'allaka ne saboda ba ko ina ake rubuta Hausa a makarantun kamar firamare da sakandare ba nake ganin saboda haka nan kuna gani ko haske gaba ko haske sosai ma musamman da manyan mu suka fara kama mu C'était Nana aisha Hamusou écrivaine à Hausa. Elle était au micro de Mohamed Maman. Chers auditeurs, on revient après cette courte pause. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Il est 11h passé de 22 minutes, chers auditeurs, c'est l'heure de la rubrique consacrée à l'entrepreneuriat pour aider les femmes et les jeunes filles déscolarisées ou celles qui ont abandonné l'école. Madame Sadissou Fatima a créé un foyer à Brunukoni. Avec elle, ces jeunes apprennent plusieurs activités génératrices de revenus à travers un programme bien déterminé. Pour plus de précisions, Hawa Ousmane, un reportage de la région, s'est entretenu avec Madame Sadissou Fatima, promotrice du foyer Almaratul Saliha. On écoute. kamar fa kina iya gaya mini menene ne sake ka buɗa shi na buɗa shi ne saboda amfani ga 'yan amata wanda ba su aikin komi suna zaune cikin gida saura kuma gaskiya sun ma yi karatun mai babu aiki to a cikin fuwayakin gana ku dami dami ake koya mata bangaren karatu hakan ga muna koyi karatun qur'ani da littattafai su fiqh tauhid da juj da su sira sannan kuma muna koya yaki da jahilci irin rubutawa da karantawa hakan ga da wanda ba su bi karatu sannan kuma ana koya harkar kwamfuta haka informatic tunda akwai ilafkin da sun yi karatu ya ba su yi nisa ba mai suna isa karanta kuma su rubuta sannan ana koya tela dinki hakan ga ana koya kuma turaruka da wasu mayuka na shahawa na jiki da sabululluka muna koya kizin haka abinci girke-girke da wani ji a hakan ga muna kuma koya bangaren irin kayan kawar daki da mata su iya yi da hannunsu to yanzu wannan duka da kika zana muna ke kaɗai ke koya mata shi ko kina samun wasu wanda suke tallafa miki a'a ba ni kaɗai ba nake koya ina samun wasu wanda suke kama min kuma su ma biyan su nake yi to shi fuwayakin da suke shiga kamar biya ne suke su zo su shiga koko eh fuwaye biya ne aiki. a yanzu kina da kaman ɗalibai nawa ina ɗalibai kusan kamar hamsin hakan ga ya ne tsarin karatun ke, duka rana ɗaya suke zuwa su koyi wannan duka ko kuma akwai tsarin da kuka yi jaddawali na karatu a muna da jaddawalin mu na karatu kamar kowace rana akwai abubuwan da ake yi kamar yanzu for example a ciran lendi da sahi muna dinki da wutar dizar hakan ga dizar trant kuma a dawo a shiga wanda suke informatik su zo su kuma su hau inar trant ne eh, inar dita ne ake yi na za informatik eh, kana su sauka zuwa midi kuma akwai malam da zai hau shi kuma mai qur'ani shi ma sai ya trezor ya sauka to kin ki so mashi zuwa yanzu shin adadin matan wanda kika fara koya ma suna karuwa koya ne suke karɓo wannan horon da suke samu nan. eh gaskiya kai muna gani suna karuwa tunda ko da muka fara ba mu wuce mu goma sha yanzu kuma kun gani alhamdulillah an kai wajen hamsin kenan kun ga akwai ƙari kamar wanda kike koya ma in mata ne matan armi ne kamar daga shekara nan zuwa shekara nan suke eh to gaskiya akwai 'yan mata akwai matan aure kamar irin dai daga zuwa C'était Madame Sadisou Fatma au micro de Hawa Ousmane. Ifi Talan, c'est le titre du prochain son que vous allez écouter. C'est signé Abdallah Ak Umadoukou. c'est le mouflon. Pour ceux qui ne savent pas, le mouflon est un mouton sauvage. Vu que le Chandra Abdallah est un homme du désert, il croise cet animal sauvage avec ses grandes cornes en spirale lors de ses voyages sur le Ténéré. Abdallah passe tout son temps à contempler cet animal, d'où le grand amour pour le mouflon. au studio après cette belle musique pour écouter notre reportage régional. Oui, Salamatou, dans la communauté la cola occupe une place très importante. Elle présente dans tous les événements et on l'utilise surtout lors des cérémonies de réjouissance. L'historien Boubacar Hamabedi nous en dit plus. Il est interrogé par notre envoyé spécial Oumou Oumarou. Quelle est la place de la cola dans la communauté Pelle? La cola occupe une place très importante dans la société Pelle parce que euh, chez les Peuls, tout se fait avec euh, la cola. Quand il y a les cérémonies, par exemple, de mariage, c'est la cola qu'on achète pour distribuer aux assistants. Et quand il y a les cérémonies de baptême, c'est la cola qu'on achète pour distribuer aux, assistants. Donc, toutes les cérémonies, tout ce qu'on fait, c'est avec la cola. Et en plus, les Peuls, ils ont leur organisation qu'on appelle les Rougas. Et quand les, Rougas se réunissent pour punir quelqu'un, on quand on l'amende, quand l'argent qu'on, qu'il paye, on achète de la cola pour distribuer à chacun. Ou alors, quand il refuse la justice, on le met en quarantaine. Et pour cela, on achète de la cola pour distribuer à chaque village pour dire un tel à partir d'aujourd'hui, il n'est plus sur la voie Peul c'est-à-dire quand il est mis en quarantaine, on distribue la cola à tous les villages pour dire un tel de ne plus parler, on ne parle pas avec lui, on ne fait rien avec lui, il est mis de côté. Et maintenant, s'il est repenti, s'il revient, on achète le jour-là de la cola encore pour donner aux gens, pour dire ah, il s'est réparti, c'est fini, il, a cessé. Et quand il y a par exemple le Hotongo, les Rougs achètent des colas pour distribuer au village, à chaque village de la cola pour dire que vous êtes invité venir à notre Togo. Et que signifie la cola en cadeau pour un étranger Quand on a étranger, le plus souvent ce qu'on lui offre, c'est la cola. Donc tout celui qui vous donne un morceau de cola, c'est pour montrer que, vous avez une valeur auprès de lui. Donc la cola, vraiment, c'est chez les Peuls, c'est très important. Paraît-il que la cola a sa place également dans le travail collectif Quand les femmes se réunissent pour faire des travaux collectifs, on achète de la cola pour leur distribuer. Et quand on fait les travaux collectifs dans les champs, le propriétaire, après la nourriture, il amène de la cola pour distribuer à tous ceux qui sont venus. Et chaque fois, même si on fait des cadeaux, on tient avec la cola. Quand par exemple quelqu'un reçoit un bien, un cadeau, on lui dit donne-moi ma cola, c'est-à-dire donne-moi ma récompense. Et si on dit donne-moi ma cola. Et en même temps, encore, les peuples utilisent la cola dans les offrandes. C'est-à-dire, quand ils font des offrandes, quand ils se mettent des aumônes, on leur dit de, chercher la cola blanche, la cola rouge pour faire des aumônes. Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Chers auditeurs, place à présent à la page sport avec notre chroniqueur sportif, Grouza Hassumi Karim. Bonjour. Bonjour Abiba, bonjour Sali. Bonjour Grouza. Euh, bonjour. Grouza, les tirages au sort préliminaire de la Coupe nationale a eu lieu hier 15 février 2024 à Niamey. Euh, oui, Abiba, 36 euh, équipes prendront part à cette édition 2024 qui va démarrer d'ailleurs le 23 février prochain. Ce tirage a eu lieu dans les locaux de la Fédération nigérienne de football en présence euh, des représentants des clubs. Lawali Garba, membre de la FENIFOOT, nous explique comment le tirage a eu lieu et sa particularité. Il est au micro de Salamot Kadri. La particularité de cette édition est en faisant les préliminaires, nous aurons un chiffre de 36 avec lequel il faut faire les préliminaires. 36 équipes engagées, donc ça fera 18 rencontres. À l'issue des 18 rencontres, 18 équipes vont se qualifier. Maintenant, s'il faut ajouter les 18 issus du tour préliminaire aux 17 de la Super League, nous aurons un nombre de 35 équipes, ce qui ne permet pas de faire les 16e de finale. Comme son nom l'indique, les 16e de finale, c'est 16 rencontres. Et 16 rencontres, ça fait 32 équipes. Donc il faut procéder à un second tour pour éliminer 3 parmi les 18 et retenir 15 auxquels vont s'ajouter les 17 de la Super League pour faire les 32. Donc c'est ce que nous avons fait ce matin. Nous avons d'abord fait le tirage au sort des 18 rencontres. Là, nous, savons tous que nous aurons 18 qualifiés. Maintenant, parmi les 18 qualifiés, comment faire pour extraire 3 Donc la procédure était la suivante. Mettre les vainqueurs des 18 rencontres dans l'urne et tirer 6 vainqueurs qui vont s'opposer en 3 rencontres. Donc Trois seront qualifiés pour rejoindre les 12 équipes restantes et trois seront éliminés. Ainsi, nous aurons les 15 issus des deux tours préliminaires plus les 17 de la Super League pour les 16e de finale. Donc, à l'issue de, de ces deux tours préliminaires, nous aurons un groupe qui peut nous permettre de faire un tirage intégral des 16e de finale jusqu'à la finale. Il faut noter également que plusieurs équipes de l'intérieur du pays vont participer à cette euh, compétition nationale. Salamot Kadri a recueilli l'avis du représentant de DIFA et de Zender. en les écoutant. La particularité, c'est que deux clubs de la même région ne se rencontrent pas. Une deuxième particularité, vous avez vu, le nombre de clubs ne fait qu'augmenter. Et là, c'est une bonne chose. La fédération est en train de faire un bon travail. Maintenant, il faudra que les dirigeants des clubs, les associations régionales aussi fassent le même travail que la fédération pour accompagner, pour que le Niger, au moins, on ait des grands clubs, une équipe nationale dit de son nom, pour participer à toutes les compétitions africaines et même à, l'au-delà. Et je pense bien que euh, ce tirage va permettre aux clubs euh, de se préparer davantage. Il faut que les autorités aussi régionales appuie notre football pour que notre football vraiment se hisse au rang des grandes nations qui gagnent. Bisan tiraj kina mun ji daɗi sosai kuma tiraj an yi shi yadda muke so ba son rai babu wanda yake da wani abu a sama don euh, abin da za mu yi fata Allah ya ba kowa chance kuma surtu mu da ma euh, bangaren mu difa mun ji daɗin sosai haka kowane lokaci muna so mu zo gaba kuma a gane mu a gaba a cikin gaban nan da za mu kara cin gaba Voilà, c'était là euh, les représentants de DIFA et de Zender. Notons que le vainqueur de cette Coupe nationale du Niger représentera le pays à la Coupe de la Confédération africaine de football. Gourouza, restons toujours à la Fini Foot pour parler de la formation des acteurs du football nigérien. Oui, euh, c'est une formation licence B de la CAF euh, qui a eu lieu hier pour renforcer les capacités de nos techniciens encadreurs chargés d'accompagner les jeunes talents nigériens et accroître aussi la qualité de nos compétitions. Voilà pour le sport, Abiba. Et Merci, Grouza. Merci beaucoup, Grouza. Chers auditeurs, si vous venez de nous rejoindre, vous êtes à l'écoute de l'émission Le Niger sur Kalangou. Il est 11h passé 38 minutes et c'est l'heure du portrait du jour. Âgeux de 20 ans et marié, les jeunes éboueurs au nom de Bachir Garba mène son activité dans un quartier périphérique de Niamey. C'est dans ce métier qu'il trouve son bonheur. Notre reporter Omar Hamma est parti à sa rencontre. Voici son portrait. nage wari e fuɗude basiru garba suka ummatore ɓotto mburiji sigilake yilade nder bangere cangare mo galle nyame to o watta ɓaade e ɓaade ɓottande nimɓe mburiji mu'en basiru garba oni fammini nimɓe no fuɗɗiri ngal gollal wallahi gollal ngal fuɗɗiri gollal fisiri fuɗɗiri torko goɗɗo amin adi luwe miɗo golliri torko miɗo golliri torko faami heɓi heɓi mi sowi torko nder maggal hinni miɗo golla faade lewru miɗo wawi heɓi ujunaji sappo e joyi sappo he jeego towtani mi fuɗɗiga nder dungu dedei gawri ɓendi ɓenday fami tawi goɗɗo waɗi torko on komi fuɗɗiri torko mi golli ma ko ñande mi heɓi mi soodi torko m hoore am hino mi naha nder maggal mi hinni miɗo golla mi hinni nde lewru miɗo wawi heɓi ujunaji sappo he joyi a faami miɗo wawi ujunaje sappo e joyi ɗe mi linda wuuro ujune joyi ujunaje joyi ɗe mi resa ujune joyi ɗe mi ñama ujunaje joyi ɗe to noon mi hinni miɗo hawrade mi hinni miɗo hawrade faaɗe kewti ujunala soɗɗiɗi ujunala soɗɗiɗi hanjum mi fiiri tollo te ndere mi arti maɗi mi hinni miɗo sonirte nde hinni miɗo resana ko heɓi lassugoɗon kadi mi suuri toluji mi hawri mi fii tollo fa wooɗi mi hinni miɗo soda ari seɗɗa seɗɗa seɗɗa seɗɗa miɗo watta fafa fa hande alhamdulillahi bako caɗale no tawa hakkunde bashiru heɓe o ɓottanta buriji ɓe allah e rafi yoɓudemo emo he e wadde golle makko er golle an e ceɗale miɗi yiya noon no wodirno no noon ni woni wala miɗo heeɓira hino faami dende ni mi yeyi nder siire miɗo wawi heɓi hano kilion ɓaale ɗe mi yatta lewle miɗo wawi heɓi ɓaale ɗiɗi ɓaale tati to hande togon en miɗo miɗen gaɗa lew miɗo waɗa lewru bumburu mi heɓa ɓaade ko worre o miɗo wawi waɗi ɓaade miɗo wawi waɗi lewru goho miɗo filomi heɓa ɓaade ko wore guer guiya kan ngala no latiɓe ɓe mi tokkata hano ceede lebbi tati en guiya kan wallahi kanɗe ngala jomum nde yima wala do a yawtinta ɗum noon ramatu mo suka ummatore o ɓottanta mburiji muɗum wi no yetta gollal makko sanne saabu basiru o neɗɗo no muñuɗo sanne e, gollal makko o wala fo gacce hanko noni o wala fo gacce o gollal gollal makko o wala fo masala wallahi gollal makko fo hepporaymo e wallahi omo mm, muñi golle makko walla wala fo gacce gollal makko fo hepparaymo ko watta fo a naata ha basiru o min goodi ceede min ngala ceede fo ɓattanammi wallahi wala fo gacce hanko kay wala masala sayi neɗɗo ñande muyi hokka jawdi makko ngam batte allah e ngal gollal ngal kuntaka hande bashiru garba o fuɗɗi wadde lumako muɗum baa ko noon da imo tokkiti e wadde ngal gollal ngam gollal bongal wala C'était un reportage réalisé par Omar Hamma. Bouclons ensemble notre sélection musicale et cette fois-ci avec l'orchestre Tal National qui nous chante Zoï Zoï. bamba manai sai kwamba dai siri manai sai siri adda te mana te walla ai mate ni ganda ira kuku ganda masa bandai ganda sunto masa banda sunto lakkal masa banda lakkal ai inga gatika ani zoi zoi zoi fata zanga wai daga fata ai da belis tare fata zanga hannu ga fata ai sai dirin yin aishatu lobo za zaku larabo zumbo ai jamun feti jaisa ai kilarai walla rayina marga na koi rayina ballai kora na mana ballai zo marga ga prison kai biba marga biba hashiya la daraja arkana su saini ramatu kirma zingi bele lai wala rashida kirma zingi mana kumanda papa ali ali kirma zingi bokami walla lenu marga lenu lenu belle meu bar sande walla group show mun halima zoi zoi zoi zoi zoi zoi zoi zoi zoi zoi zoi zoi gani zoi zoi zoi zoi zoi zoi zoi zoi zoi zoi zoi zoi gani mana ga signora darja belly is staring shan is staring kisan mana ga balaki talla ganai ga sumbu mana sai ko doso lalle zan kai walla zan kai walla burezi marga elo peti sherif walla deje nuruddin abedi kaise kamerun nai ga zumbu mana isu farmasi isu farmasi aifo alaji kaise saluji ba kaise zoi zoi zoi zoi zoi zoi zoi zoi zoi zoi carizo. Biju marga biju managa fami midu ina alem foka burai ma dinigoka muktari nodo amma ba fatiya lidu kai manzo kaise kai da mozali ka kurnye managa kumsere jamsa Laifo Faruku Kongo Fada Dimil Sino Ro Dimil Turian Ro Dimil Ankoro Ro Dimil Ture Marga Maiga Siko Balai Kwara Prince Lakuma Chase Alaji Chase Abibu Goka Abibu Baura Dea Tele Istaramba Kitambo, Kitambo. auditeurs, c'était Tal National, avons eu de Tal National. Place à présent à notre loti du jour qui nous parle de l'importance des petits commerces par les femmes pour boucler les fins des mois. Samira Rouafi et Hawa Ousmane nous, en dit de plus. On écoute. Loti, loti, loti, mun fofo ai bora iska go maisi matin kani samai dai no fadima mata ga hamni goba ne alhamdulillah mata goyo aran gingar ba ne ba ni samai dai no walla ai ga milmu agan bu agan duka gingar ba bani me wala ah alhamdulillah to kai yesi a yesi man san ki ne son kala dai suru zama ya wallahi gingaro kan aka hmm. ai kurkan ga kan gaisi kan da ka ba ai banando a kulu ainu gingiro wasi. ni gisiro kulka ni te ban gingago kara. maimu dama ma kan aiki kino. ainya ni se badal no sai sai son wo kulkan gonu a kul pat aini kulwi gingiro wa alfarmara fadima ai man fa mai famandi ai goki ni se no ni goga te zangani sigima. ainya ni se badal sino kan ni ka zankai wani alkirkara ikulu e wana haikul sai sai na kanga aigo noro kul kan ni gabai banando alhamdulillah a kulu koi <laughs> ya dinga dai fanu wani banando ba hinne wani goka ba wadin banda ni da soke fo kul kan gote kan kan din seno hey memu ayo hay kurno te kan ka goyodin godin dai no ai gote inga mo da hando bu e mai bana hay kul kan gode gote wallahi a kul barando ra dai na gofun aha son kun ne fam han kan seno hal hando ga bunu wani gijin ga buwa sai me o kenan no kan ka kan ka banando ni gwanda haifo kan go katin sinoro o me ai gwanda so ke kai nufo kan ai ai ne butigi feri windo mai zan kai ne ne raise nisbe kan son lokaco kan borgine ni mu kai ga banan da hinna batu lokaco din bisa wadin don sani nomi hai ma ne oho kenan nuwa so ni gwanda ba fato kan fo kan ni go bai gite Idi koi bere ayya walla noro kan gudu ai borando inga dai ne gode fo manda ayo man tarin ki ne banan do kan go gudu ilko de mar barka nganga kan ne ka ai murade hay kurne gite so kurne sinigite banan do din zaman woro asu wasai sai mai no ne sai borgon don wogo bob bukata dinga ba nim soke zaka in fute to ai faman dime ne di son zamanu kan ra irgo no kai ne zufu no gudu ni ga nim du ni soke zufu kan ni gisi ba fo yan no ni gidi ga hawa hawa gisi kan kan din sai no ga bisi ni ma nim sobai ka ba ni gona banan do ba hey ni fa ai kai di nik di wat kul wai bore din haifuwan goyi sai kunsum kunsum yalle da yara bankare yande zankata am kai ne kai ne he afo nik di ba zirige iga da le da rakate gusu be gnera goyedo oho wiza kino haya gote da o me son wai bore guwani ceci ko ni gwanda dubara bobe yi yigite ko ni haya ga bore hey memu wallahi sabu ni sai ay gi sabu ni ya mare kan na taisi insha Allah ai mu sun ai ga sintin gila sabu hal ifo ne ga sintin ginere to madalla wadin dai no bori ni di wadin ganan bo hal han dogbo ni gudu haifo kan ni gisi nim dogin gada te nim boryan mo muradu feri koy ni ni gikim wallahi ni gikim won dai ne kaga sintin ai mo kai gidi ai sintin hawa hawa se ton ku yanta ta yan da yazi yazi yan aran gidan me wala <laughs> irga dai problem sara to ai gisa mun se mai mu irko dai mu dai se wallahi mu sintin ga hawa hawa kai ne kai ne gidi irko dai mu dai se amina Chers auditeurs, c'était les femmes du studio Kalangu. Dans ce studio, nous sommes aussi en compagnie de Alamine Ouachar pour la culture linguistique. Il nous vient avec le mot amour, love en anglais. Bonjour Alamine. Bonjour Salamatou, bonjour Habiba, chers auditeurs et euh, auditrices, euh, bonjour et bienvenue dans euh, notre rubrique culture linguistique. Aujourd'hui, notre mot du jour est amour, love en anglais. Ces mots, c'est un rappel, a été expliqué en français, en anglais, zerma et hausa et en fulfulde. Aujourd'hui, je m'en vais vous expliquer en tamashek. L'amour est une relation qui unit les personnes entre elles ou qui unit une personne à une chose. Exemple, l'amour unit un enfant à ses parents, un mari à sa femme, une personne à sa culture. Il existe plusieurs façons d'exprimer ou de témoigner son amour à quelqu'un que l'on aime. L'amour peut être exprimé par la bonté, la compassion ou par le pardon. Être en colère avec quelqu'un ne veut pas dire qu'on ne l'aime pas, qu'on n'a pas de l'amour pour lui. L'amour renforce la cohésion sociale. C'est pour cela que nous exerçons mettre l'amour dans tout dans tout ce que nous faisons. Enfin, cela porte un bon fruit. Aimez votre proche, prochain. Et, en tamashek, euh, sokara samur tara. Tara, tan tara, testan tara, arati taggawidani muwasan. aradaqaratan wini taaggawen sanataas filganna weeqalan tifertaan tantarada, titshaada waratana guutnen tishaadaa awiden adwerat shadawa tantu dalisnet shadaw maran geresan ama kwenda tisartai taran naratiya siya tarada tile tarateta gu berer yamaronnet madeeg adawan kilel misal faganna weqran tarateta gawiden itadanet awenda filas ilantu numad winta waginen filsiknin tarate yarti rawedan madi yawedan ni rawedan staret ni ginartan olagne dahulan olagne madi tsureft narat adak yakhshad ike gizel ham yawedan وريسوكاس ورتوتري ترى تموصر تساسا هن أنا متفقر الأمة ترى رجزودا تشاودا فيما داري Merci beaucoup à la mine, chers auditeurs. Si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiterez avoir l'explication en anglais, en français, en germain, en fulfulde et tamashek, n'hésitez pas à laisser un vocal ou, un message au numéro 82 89 89 64. On fait une petite pause et on revient juste après. justement, Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. ai ma ga shi ya da mi da kiga bai da cin ba makka da don don kari ballara studio kalangu fa karai irgo gini hangan alwatu kulu irgo ma studio kalangu ga kan da na bare ga kan da bon ferayen alan da ga kan da kiti fonda yi faman da yan borai sai irgo ya hangan irgo ga mara irgo kan da na fazan irgo ga borai bon feri irgo ga fa kai mo don borai da kyar mara. tontoni aga kan amma sun matakan irgo ga goye ta dawo ki magaban da ga irko makamudin da ngise digo am koy da gina irman digo ga kayan do kadai hankan ga himan da bor ware dai irko himma tontoni se igo yi mu koy da gina cintine gina dai ga umur mai kalangu kan ga ce wani kaino kan go ta yafo ai ga dibte hare kai kan go sandire ai ga nafo ai ga li chajal koy kan go ne ballar taraku kan ga ce wani chora ai go ga nafo ingan ninga wani almayalai kulu ai ma hagar abdullahi kan go ballai yar sato ai ga hangan karanguya karangu sigire wo kan ga kanai se sigir kul kul kan ngai ma san kul kai ma ra gyo fo bon man ji kalan gum ra ne ma kule wo shaganda ai sai tabbata ni bai ma ra nan gu fo no kale ma hangan sigyo kalan ngai mi wo hanga dai ma ra sigyo kalan ngane wo yadda wo no nan ai wo ai fanda ki ga tim fanda no nan ai wo hal ho bai da hal ho do futta ge sigida ki bon fere ki futta ge no do wondi ai zai futta ge bon je zai mata ki gi salan san no salan ni sai da mi hagojin gai ba funi matkita kulu an gai no na kanai si orai do mo hal ho hayyan gai do har zangai eh, food way eh, way haye mata kigite bendi dangai haye ngadi ke gamara ki nani kigite si hal hungunu na ayu aka kane sai odiyon kuli gachi ngunu na wallahi ayu aka kane sai oh. iro kigite guru way cindu ay go sigir fo hangan niger sur kalangu aka kane sai gum gum gum sigiro hangan ba ga salan futa gay bonna ga salan don na ga salan asenu ay ga to madalla sintina dai ay gir president to kankin ya loga fo ay ga malama fo hal hon ay ga bero nya fo ngamo hal hon ngamo iri hanga siniyan ikulu vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens Alors câblez-vous sur votre émission du Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangu est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangu. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Chers auditeurs, nous sommes à la fin de cette édition de votre émission Le Niger sur Kalango. Au micro, c'était Habiba Ahmed et moi-même Salamotou Kadri. Le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine. À la technique, c'était Issa Lowoli et Adam Madawaki et tout semaine à l'édition. Excellente journée. Bye bye.